un, BTS dont j'ignore l'origine, je ne sais même pas si c'est le BTS que vous avez l'habitude d'acheter en Côte d'Ivoire ou si c'est celui du Bénin que tu as. Et mieux, je n'ai pas vérifié l'authenticité de ton bac avant de t'emboucher. Sûrement que tu as un bac falsifié. Malgré tout ça, je te paie le salaire d'un cadre béninois avec des années d'expérience derrière. Mais toi, tu as quelle expérience Aucune. J'ai fait tes premières expériences chez moi, oui ou non Et déjà, tu es à plus de 300 000 francs CFA. Où est-ce que tu vas trouver ça mon dit. Hein Hmm. Ah oui, tu dois être folle pour vouloir démissionner, bien sûr. Qui se pose. Oui, allô Allô Oncle Bazar Laurent Leblanc. Oui. Mais j'attendais ton coup de fil depuis. Alors, ça va Ça va bien, merci, merci. Oui, la famille, ça va bien, tout le monde va bien à Cotonou. Oncle Bazar, écoute-moi. Bon, je t'appelle à propos de notre affaire. Hein. J'ai pas pu réunir les 250 millions convenus. Mais je viens de virer 120 millions déjà sur ton compte. C'est positionné déjà. Ah, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et dès que j'aurai la marchandise, je t'envoie le reste et puis euh, je pourrai même t'avancer pour la prochaine affaire. Super. Super. Je vais à la banque comme ça pour vérifier. 300 000 francs, je vais perdre ma vie. Les policiers, à mon des de bois, pour nous mettre au mieux. Azoran, hein, mais, n'a moi, caca. caca, n'a y quoi. Ciao. Salut. Oh, oh, oh. Je fais ma secrétaire, je gagne 120 millions. Mais dis donc, Dieu non, Dieu fou Ancienne secrétaire Ancienne secrétaire Oui, monsieur. Mais tu dis ancienne secrétaire Oui, monsieur. J'accepte ta démission et tu vas voir le comptable pour te faire payer. Je te paie trois mois de salaire gratuit. Va le voir. dans ce monde où tout le monde cherche d'emploi aujourd'hui, toi tu vas démissionner, sans diplôme bien sûr, oui. Vas-y, vas-y, dispose. Oui, oui, va. Comptable, je t'envoie la secrétaire, elle vient vers toi. Il faut lui payer trois mois de salaire. Oui, oui. Non, gratuit. Né, ni, oui. Eh, merci. Oh, dis donc, Seigneur, je vais à la banque. Je suis sauvé. Avant, c'est le travail qui libérait l'homme, mais aujourd'hui, c'est l'argent qui libère l'homme. <laughs> de duguma ah. bébé oncle Baza. Mm-hmm. Bonne appétit. Mais hein. eh, qu'est-ce que tu as Mais maman. Eh, depuis là, à ah, Bob lui a mais Depuis qu'il est revenu là, il, fait, il ne fait que des trucs bizarres. look bizarre. Hey, mama. O tá wo di o yà bi pàtó. Ah. Ere mi no grave. Mo mi no blow ni lẹ́nu pàjá yẹn kwa. Laissez-le. Hmm. Si la fin va manger. Abi, o fẹ́ si wa dùn mọ́ amẹ́ra. O yà dó pitié mi mi lè bu wa. O fọ́ tó dùn mọ́ a. Gba dọ̀ wọ́n mo àdọ́tò ko gbọ́ ko wọn ṣe fini. Ẹran fọ ṣé mi rẹ̀ ní adùn wa. Ẹran fọ ṣé mi rẹ̀ ní adùn wa. Mo wẹ́ nọ blow dá yìí à. Mo dúdú jẹ́ wẹ́tò. Hmm. Ẹran tó kẹ̀kẹ́ mi rẹ̀ wá dùn wa. Àdó pitié gbẹ́tọ̀ tán, àmì ọ̀rọ̀ gbú ẹ̀ yá. Bon, donne-le à eh, Oncle Bada. Maman. non mangez mangez non mangez. qu'est-ce que tu as je suis là. Hein? <laughs> qu'est-ce que tu as dis-le-moi. maman Maman. c'est toujours l'autre affaire. Ah. L'affaire du blanc là. Laurent Leblanc. blanc. Hmm. Vraiment, ça me casse la tête, ça me trouble. Je ne sais pas par quel moyen je vais accéder à cette solution-là Je veux une solution pour ce blanc. <laughs> J'ai réfléchi fatigué, maman. Achille deux solutions. Nous nous sommes assis. Hein, Moi, je suis là. Hmm. <laughs> je suis là pour toi. Je vis. Hmm. Nous devons aussi d'autres C'est Toto et Wafi. Maman me réconforte là. Et voici. Maman. Maman, vous la avec nous, où Faites micro c'est vous ne laissez maman. Nous n'y bakaka pendant des jours. Je n'ai pas trouvé. Mais l'air sonné. maman, maman, maman. Oh, maman. Don vole yo. Se vous mitun do gbe me. E do gbe chede chede. Ni ma te do gbe da ya be yo wo si ni wo. Se wo te na fun. Yo vole ye de yi ko coloriser bi. Servez-moi, servez-moi encore. Beaucoup exploité mi au grand rolo. Bon, il en a bloqué. C'est moi, c'est moi. Maman. Non, non, laisse, laisse, je vais manger avec maman. Nous, nous, elle a mangé pour les pauvres, mais là, on nous met dedans. Non, c'est entre Mémé et moi. Peut-être après, je peux t'en parler. Hmm. D'accord Mémé, ah, ah, ah, Je suis l'héritier de la maison. Je eh ressemble, oh. je ressemble plus à papa. Eh, ressemble ah, hein. plus à papa. On euh, c'est quoi bien de nous de famille. d'accord, non, non, non, ça va, ça va, d'accord Non, c'est Ça va. Hum. Ah tu es sûr que c'est ce que ta maman t'a dit ça Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas vrai. Cette dame-là, tu nous aider les siens dit. Takano. Eh. Elle est trop forte. En tout cas, chérie, <laughs> de mon côté, il n'y a pas de problème. Mais crainte. Tu sais. Tu sais ce qui me fait peur Non. C'est ton frère Yadjo qui me fait peur. Pauvre. Est-ce qu'il peut garder ce secret-là Détompe-toi. Celui qui se dit l'héritier de la famille. Pour le cas de Yadjo, hmm. t'inquiète, maman s'occupera de lui. Ah bon Oui, je suis sûr qu'il va garder ce plat. Je sais où le prendre. Mais non. Ah oui, il n'y en a pas de problème. Et tu peux réussir ce rôle-là Mais je vais réussir facilement. Eh bébé, ah, ben. il faut être un vrai artiste pour réussir ce rôle-là. Hein. Tu ben. es un homme d'affaires. Adamiton Autumia. Donne-moi. Je vais, je veux. réussir. Vraiment. chérie. Le sourire fait mon bonheur le sourire m'attendrait. Le sourire ma pensée. Souriez, évitez la guerre dans la cité. Donnez courage, et courage mes foyers. Souris. <laughs> bọ́lálé bọ́lálé bèbí wá wá wá o. bọ́lálé àlejò wa láti Kotonu basa. Ah, láti Kotonu eh, ẹ káàbọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ eh, bèbí. bá mi gbé lájẹ sínú gẹ́sù ṣe. Hmm. Yeah, come and sit down. <laughs> eh, my friend, your wife, she's beautiful, eh? Your eyes see well. I take my eyes to market to pick the best. but sir, when, when you want to come to uh, um, Abuja, come. Yeah, yeah. You don't call me. You know, Nigeria, you call before you come. No, I get your address. I can come like I want. My friend. Huh? So, come here mm. to rest ah. and to look for business opportunity. Of course. Yeah, finish. There's a, a lot of opportunity here where you make money. Yeah. Yeah. Yeah, money day. Mm. Yeah. So where's the now, money? Now, e, e. when when I see eh, this woman in plane you know, hey, eh, you, you, you, you met this woman inside the plane? Yeah, this is a big, big woman. Big, big woman. Ah. she get money. You know petrol, petroleum, eh, petrol. This woman, big woman, she, she, she get petroleum, very big one. Hey, she, she, you know petrol, zoom. Yeah, yeah, yeah, I know, I know. So I can, I can do it. If you, yeah, this woman eh, like this like this. you, you make it your opportunity is Yay, here. and win. You hey, make money. God, thank you, my God. Celebration. My God like me, eh? A millionaire. Thank you. A millionaire. Thank you. Big woman, my best friend. <laughs> if you make your money, thank you. If you make your money. remember me. Yeah. Eh? <laughs> me and you were going to do business together. Business, okay. Yes. Yeah. <laughs> Basa! Yeah. Basa! Yeah. God bless we. It is very good. Money. Where do you buy this? In Abuja, yeah? Yeah. Hey, Abuja gets it. Ah, good drink. Good drink. And a good money. Oh, and oh. a good business. Good business. <laughs> ọ̀rẹ́ mi ajá mi dùnà. ajá Fọláṣadé mi. tó bá wo tírípù mi ọ̀tẹ̀ yìí ó ti lárinrin jù. Hmm. ẹ nà ó ìgbà tá à ń bọ̀ láti Abidjan ta dúró ní Kútọ́nù bọ́mọkùnrin kan ṣe wọlé tì mí nìyẹn. ẹ ti mọra rí tẹ́lẹ̀ ni. àmọ́ra rí ẹ̀gbẹ́ mi gangan ló sì wá jókòó sí i ó sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí èèyàn ọmọkùnrin yìí ti sọ̀rọ̀ jù ó ti dùn jù ọlọ́run ẹlẹ́dàá. kí ló gborúkọ rẹ̀. Básárù lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́. Básárù lóró àánú Kotonu yẹn mi ò rí rí o. ìṣiṣẹ́ mm. wo ti kúrò nílé ti pẹ́. ó tọ́ dẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi ó tọ́ ni jàre orí yẹn sọ. ṣùgbọ́n ọmọkùnrin náà wà ní nọ́mbà nọ́mbà ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló fún mi. ó dẹ̀ ní kí n bá ti pè ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn. òun náà fẹ́. ló ń sọ̀rọ̀ o. ẹ jọ ṣé ọkú ṣẹ́gun ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ jọ ẹ má bínú o básàrù ló fún mi ní nọ́mbà yẹn pé tí n bá fẹ́ bóun sọ̀rọ̀ pé kí n pe nọ́mbà yẹn. alájà sade ah petroleum i give her your number ah <laughs> alájà. hello básàrù báwo ni. So how okay. <laughs> Eh, mi ní Abuja. When are you coming to see me? I will meet you. Okay. With my friend. How are you? Okay. Tomorrow. Okay, okay. Love you. <laughs> okay, okay, okay, okay. Hello, Alaja. Is she gone? Eh, Is she? ibi gariki ni gariki abuja nọmba sixty seven ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọjà yẹn ni tẹ́ bá ti wọlé géètì dúdú. ẹ ẹ níbi ẹ̀gbẹ́ ọjà ńlá yẹn ẹ ẹ ok ok. ẹ ṣeun àwa ó dáa ah, ọ̀rẹ́ mi ó ti yàwọ́ ó ti dégun gbẹjọ ti há mọ́ ọ lọ́rùn ní Kòtónú. ṣé o fẹ́ kí n mèkì sí Kòtónú ni. Ah, má bínú ọ̀rẹ́ mi ìlú ọ̀rẹ́ rẹ ní sá. igi ah, ìwúrí bí tọ́lẹ́ bí bá ti wà. <laughs> ó ga o. Mádínà. ee ajàfọlá ṣadé. a dà fún wa. aláwọ̀ máa mí lo. iṣẹ́ wa yóò ní dàrú. àmì ọ̀rẹ́ mi. ça Oui, patron. On meurt comme ça ici au Bénin Oui, même en France, les gens meurent comme ça. Vous voulez parler donc bazar non Oui, bien sûr. Ah, c'est triste, patron. Tu me déposes euh, à l'hôtel et puis on ira après voir la famille. Oui, patron. la nouvelle. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Comment peut-on mourir de façon si simplement Non, ça n'a pas été simplement. Il est mort difficilement. Hein. Ah, Mes condoléances, madame. Ah, ça, c'est sa femme, ça. Bonjour, madame. le Leblanc. Ça a été très difficilement qu'il est mort. Hmm? Madame. Euh, oui. Enchanté. Laurent Leblanc. C'est maman, maman. Mes condoléances. Tu l'as dit qu'il est mort euh, simplement il a dit que c'est difficilement. difficilement, hein? Mes condoléances, Merci. Hein? Vous nous a laissé comme ça, sans rien dire, sans, prévenir même. Tu, tu, prévenu. Pas pleurer, pas pleurer. Le plan est déjà là. Ah. C'est bon comme ça. Ok, merci eh, beaucoup. Hein. hein. c'est on voit sentiment de Je suis le père de la famille. Le Père de la oui. Après, on va dire ça. Merci beaucoup, grand merci. Lui-même, il sera content là-bas. <laughs> Mon grand l'homme, on voit dans mon donnant. Hein. Il eh, y a Bougon, il y a Bougon, il y a Merci. Merci. Ah, merci. Eh. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Basa, yeah. What uh, opportunities for me there in Benin? I want to invest. I want to put business there. Mm -hmm. Can you advise me, please? In Benin? Yeah. In Benin now, we get uh, a lot of opportunity. Mm -hmm. plenty business in Benin now. You sell water, you get money. Mm -hmm. You can sell paper, get money. <laughs> yata. <laughs> I want to propose you a, you know, GSM. Hello, telecommunication. Mm -hmm. Plenty money, they there, now, now. Basa, mm -hmm. I'm not interested in those business. Mm -hmm. You know what I'm interested in? Mm -hmm. Banking business, where there's a lot of money. That is what I'm interested in. Bank business? Yeah. It's not so bad. Now, I will call my friend and mm-hmm. talk uh, about this, uh, my friend. Mm. Please, don't forget. No, Trust me, I can't forget this. Uh -huh. Madame, Madame comment tu vas Ça va très bien, ma hmm. chérie. Et chez toi Ça va. Ah, tu étais partie où hier Non, j'étais là. Mais je t'avais appelé, ta bonne me disait de n'importe quoi. Oh, voyons, bonne minute. Yo. Yo. J'étais là, je ne suis même pas sortie de la maison eh. toute la journée. Ah bon Oui. Eh. Ça va Comment tu vas Ah oh, je suis là. Tu as les nouvelles de ton mari Oh, chaque jour. Chaque Comment jour. il va Il va très bien. Il m'a dassiné. Hein Ah, Ah, mon nez est peigné, et Ah, Bon, nde nzere to, tu me file. Bon, n'a dassi tout don. Euh, vraiment, si <laughs> laisse tomber. <laughs> Depuis quelques jours, on doit inquiétude. Ah bon Pas Et l'histoire du blanc oh. Même il digéré Oh, on a déjà enterré cette affaire-là depuis. Mais ça fait un an. Hein. Un an, bien sûr, mais n'est crainte. Je te jure. Hein. Bah, tout possible. La bonne doit venir, la bonne Après tout, c'est mon mari hein, qui est en danger. Comment tu portes ton hein, jusqu'à la fin C'est ce que moi je veux. Ma chérie, laisse tomber. Qu'est-ce que tu vas manger Tout ce que tu as. Euh, d'accord, je vais te servir. Ok. <laughs> Madame Baza. My daughter, you repeat after me. Ok Tu répètes après moi. Le matin, on dit bonjour. Good morning. Ah, tu connais ça You know that. okay. on passe à autre chose. Notre maison est située au cœur d'Abuja. I don't understand what you're saying. I see. Our house is in the heart of Abuja. Repeat, please. Ricky? Zikiat sorrow now. What's wrong with you? Zikiat Kill on share now. ẹ́ náà? Ṣé wo mọ̀ pé anybody téèyàn bá ti rí pẹ̀lú ìyá èèyàn bàbá ẹni ní ṣe ni? Anybody you see with your mother is your father. What's wrong with you? My love, she will like me. Leave her. She will like me. okay. Okay, Master, my... please give me a minute. Oh, yeah. Okay. Hello. polisie Bouyoun Van de Koop yaa jọ akatun lọnu pẹgbẹ. mama mama. ẹ e jẹ́ ma. ẹ sẹ́ nu èmi bolo di o sẹ́ nu ma sa. Est-ce que nous devons e bleu et normal là Non, moi mes invités, ce sont mes invités à moi ça. Invités, il y a dans la Ça me dit ouais, mais des deux et bien, mais puis qu'on a tombé.

mo dẹ gbẹdẹ bọra jì mẹ lẹ o lè kọtọ mẹ tó fẹ ní pa mọ. yẹrọ mufuma mẹ mufuma wẹrẹ lọrọ mufuma wẹrẹ. n'u lẹ mun yẹrẹ kó gbè fiyọ n'u lẹ mun yẹrẹ kó gbè fiyọ. ɲɛna bulon n'a sɛn de si to n'a sɛn de s'a lọ bó n'a yi tribunal wolo dukoro tɛ k'o ye mɛ jì ye. papier signé Oui, madame. C'est pas vrai. Au fait, euh, est-ce que les sociétés Becam, euh, CBA ou Sotraben ont finalement payé euh, Il n'y a que Sotraben qui nous a fait parvenir un chèque de 2 millions. Les autres ont promis s'exécuter dans la semaine. Un chèque de 2 millions Ça se passe comme ça C'est pas vrai. <laughs> où sont les pages que je dois signer Et où en sommes-nous avec les conteneurs qui sont restés au port ah bon Il faut demander au comptable de me suivre particulièrement cette affaire-là. D'accord, madame. Parce qu'actuellement, le délai d'enlèvement des marchandises est strict. Et je ne veux pas payer des pénalités. Je n'en veux pas du tout. Aussi, les clients sont-ils impatients Mais vous vous amusez trop dans la maison, c'est pas vrai. Montre-moi les pages à tout. Je vais avoir le de Tout de suite. Et eh, s'il vous plaît, je ne reçois aucun visiteur. D'accord Je ne suis pas là. Allô bébé, ça va Oui, ça va, on est là. Oui, ça va, ça va. Mais le seul problème, c'est ton petit frère. Hein. Il est vraiment insupportable. Non, oublie Yadjo dit de l'oublier. Tu, le connais, non Tu connais Yadjo. Mais, mais où est le problème Ok. Et chez toi là-bas Mais franchement, bébé, tu sais, il faut qu'on quitte ici. Tu ne peux plus continuer comme ça. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui viennent m'embêter ici. Bah, mais tu leur dois et puis ils, ils veulent leur argent. Ah, mais tu sais ce que je leur réponds hein? D'aller te chercher tout simplement au PK14. <laughs> Ah, tu ne peux pas comprendre, ça me fait tellement rire. <laughs> tu es super. <laughs> C'est maintenant que je sens. Je sens que j'ai une femme. Je sens quoi Oui, bébé. Donc, je vais venir, il n'y a pas de problème. Il faut liquider tous ces dossiers-là. Et puis, euh, je te rappelle euh, avant de venir. Est-ce que tu es sérieux là-bas Est-ce que tu es vraiment sérieux là-bas tu n'as pas encore engrossé une femme quelque part dans un coin. Allez, crache le morceau. Non, je ne fais pas de bêtises, tu sais. Je suis, je suis toujours blanc. Comme... Voilà. Je ne peux pas te trahir, bébé. Bisous, bisous. Ok, bisous, bisous. Salut-moi, maman. Salut-moi, tout le monde. D'accord <laughs> C'est pas vrai. mazaa nyewe ʋu ayatɔvi gamenu matumatubɔ zutia dzidza ɖo tosobɔ gansa ne aɖegun. aɖo <laughs> gbɛ wei sava agbowa kunu ma ku ewa kunu tso kporo gbɛ. j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer le blanc là. Il est déjà parti. Hé, où oh, y a Eh Laurent là. Eh où? Èyí hun. Dira ito ẹni jẹ̀dọ̀. Wọ́n lọ àánú sí gàṣẹ́ àti ìlẹ́kọ̀ọ́ àpètè. Wà pèsè àṣọ ẹ̀. Mama na wakwe. Na wakwe mama. Nko za tere jibo tere kowe. Gbede busode jia. Wà pèpò wọn àṣọ ẹ̀. Tí a, nà dọ́nù kú èjẹ́ tọ̀. Aignan. Aignan. Merci. Eh. Bono Gandisia. Ah. Nima Solio. Tu vais venir, maman. T'inquiète. <laughs> ok, maman. Merci beaucoup. yeah. Hey, it's my mother. Your mother? Yeah. Hey, oh, no problem. No, she greet you. She greets me? Yeah. Why you not give it to me? Oh, I forget. Yeah, after, after. Thank you. Daddy. Okay. Yeah, let's go. Okay. yoyo bonwa no time ndi ndwando nu o s i c h e n i asia wedding béninoise moni ye pourquoi ko jom lu pon ko ni amon way amon do fio affaire wa mon bluru bere fait du teka pétrole hmm ben ne no bluru to na ni to wa no oui il y a un l'homme d'affaires grand homme d'affaires comme moi hein il y a le fils du président et moi ah oui il m'y attendait un agrément bon Madou Cléoui, nous bon pas fond de langue. À moi. À moi. Les il y a Non, c'est pas fini. Et voir. Ah, ah. Monsieur, laissez voir ce boulot. Ah, kékéréké. À ah, mon président, il l'a mis m'a dit C'est les affaires. Ah, ça dit. Mais il y a des malocons. Ah, ah. Oh. bébì ò tiẹ̀ mé ní gbogbo mo mọ kèrèkú kèrèkú rèé. ìyẹn gidi mọ lórí mi yìí o. ìyẹn ti ń wọ mo ajá yìí pẹ̀lẹ́ ọmọ yìí lórí sáǹsì tí ìyá kú bọ̀ afẹ́ ọkùnrin wa àgbà tọ̀ ní wọ̀nyí omi tí yóò dọ̀ azọ̀nù kú ìlànà wa ní wọ̀nyí lọ. bọ̀ níka ọjà òye ìtàtù lọ́kọ̀ ọjà bọ̀ tí yóò kọ́ ẹ̀dá sí tiẹ̀ bọ́ọ̀mù máa ka yá òwò wa mẹ̀lẹ́kùlẹ̀ yẹn náà yìí. marcher au Donc, oh, il me faut au moins 200 000 euros. Je mhm. dois renouveler l'accréditation, c'est-à-dire licence. Oh. À comprendre d'ailleurs. il me dit que bon, bon, dit jar, ce Qu'est-ce dit quest hein? Quoi on ẹ má sọ mi sókè. ọ̀rẹ́ mi ẹ má fà mí sẹ́yìn o ó ní kí n ṣàlàyé fún yín pé òun ní iṣẹ́ kan tóun máa ń ṣe iṣẹ́ epo ni ah, nínú kótorú yẹn wọn ò dẹ̀ pọ̀ rárá àwọn mẹ́ta péré níjọba sáyìn ìwé fún láti ṣe. irọ́ ni o. pé tọdún yìí wọ́n ní èèyàn kan ló máa ṣe òun ló dẹ̀ gbéṣẹ́ yẹn fún pé òun nídìí two hundred thousand euro láti fi ṣe iṣẹ́ yẹn tóun bá ti wá ṣe iṣẹ́ yẹn ṣẹ́rípa ti lówó tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ mi. ó tún máa lówó sí tó jẹ́ pé ó wá sú ọlọ́run má jẹ́ kó owó sú wa ó wá sú náà. àmì o ọ̀rẹ́ mi ṣùgbọ́n kinní kan wá ń dùn mí kí ló dé tí o sọ fún mi direct pé òun need two hundred thousand euro. Ah, ó lóun mọ̀ bóun ṣe máa ṣàlàyé náà ni ṣé bó ṣe wọ́n ní tí nǹkan bá dùn yẹn inú èdè rẹ̀ máa ń sọ sí bó ṣe ṣàlàyé. ṣe bó mọ̀ pé business mi ni iṣẹ́ epo. ṣé kí lè fọ́dọ̀ ni ẹ eh? nínú yìí kí mi mọ̀ tó eh, 200,000 mm. eh, mm. millions d'euros que nous allons entre 5 à 6 millions d'euros. Amode, kó ẹ̀nà que kó lè fi mọ̀ ẹ̀nà jáde jí kun lọ́hùn. ọ̀rẹ́ mi kú oríire ó ní tí ẹ e bá lọ da owó yẹn lẹ̀ tóun bá fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn pé géèmù tó wà lórí ẹ̀ five million euro ló wà lórí ẹ̀ ní géèmù ó ní ìṣẹ́rí ṣe máa ń rọ̀ tí omi máa ń kàn yín bẹ́ẹ̀ lówó mo máa dà nínú ilé àmì ọ̀rẹ́ ẹ o. ṣé kò jù yẹn lọ. ó ní o. màá tún wá fún ní three hundred thousand euro. Ah. sọ fún. ebi ah, o ó ti tọ. Não, alájà non c'est bon ça marche. kí vraiment.

ṣé òun fúnṣẹ́ kan náà lájọ ń ṣe. á ah, da alájà mẹdínàt. ṣé yọ̀ǹda mi. lọ ṣọ. a máa ta ọ. àmì. tẹ́kẹ̀ sí ẹ jáde. àmì o ṣé ọ̀rẹ́ mi. ó ga o ó ṣé ọ̀rẹ́ mi o kò tó pé jàre ojú òní ti wà. àmì o wọn ò ní wá wa ti o. àmì ọ̀rẹ́ mi wà kó o lè jẹ́ kí mi náà bá yín dá sọ̀rọ̀ yóò wù mí bó tiẹ̀ jẹ́ hundred thousand euro kí mi náà tiẹ̀ kó o lè ṣe òkú iṣẹ́ kan náà lájọ ń ṣe jọ nítorí tó lóhùn ọ̀rẹ́ mi ọmọ níyàwó. àmì alájà Medina nǹkan tiẹ̀ tèmi tèmi tiẹ̀ ni jẹ́ kébi kọ́kọ́ fún ọkọ mi ní three hundred thousand euro yẹn náà tí n bá ti fún tán tí ìrètí kan mi ó ti kàn wọ́n náà nà. jẹ́ kó jọ kàn wá pọ̀ ọ̀rẹ́ mi ṣíbàjọ́ ń bá ṣàyíbọ láti ilẹ̀ ni. má wọrí ó máa kùn ẹ́ ní sùúrù náà. mo ti gbọ́ òun o ṣé máa ìgbé ya. mo ti gbọ́ àbínú sí o. <laughs> bá mi kálá jẹ́ àtàwọn ọmọ mi. wọ́n á gbọ́ o ṣé o. ó dàbọ̀ o. tó o bá ti délé kó o pè mí. báyìí. Hey, I want to tell you something. What is that? I get big opportunity for you. Do you know? We get we have a big bank of Benin. Do you know her name? I don't. People's Bank of Benin. They want to sell it. Wait, wait, wait. You have a bank in Benin called People's Bank? Yes. And they want to sell it? Yeah. Okay. Uh, but we used to have a bank like that in Nigeria, People's Bank, during the Babangida's time. Anyway, that is no more now, you know. So tell me, what is this opportunity? They want to sell it. If you, you get money now, we are going to buy. If you finish to buy, we are going to change the name. Mm. Mm-hmm. A new name is uh, BS Bank. Bazaru and Shegun Bank. Our bank? Yeah. And we'll make money. Yeah. <laughs> Ah, Plenty. Go on, go on, go on, go on. I am happy. Yeah. Now, uh -huh. we are going to quickly, eh? Mm -hmm. You mm-hmm. go give your money, eh? Okay. We are going to buy it. No, no. Oh, and we are going to Ganye four. Uh, wait, what is Ganye? Ganye, e. a. To win, to, to win, yeah. You mean you and I will win? Yeah. What are we oh, eh. going to win? Big l'argent. Oh, what is l'argent? Oh, oh, oh. What hey. are we going to win? Hey, money, money, hey. Money, money. l'argent <laughs> is money. Money. That's good. You like it? Go, go, go, go. You are going to nominate me uh eh, director of that bank. No problem. now you live here. Mm-hmm. Me, I send you money. Je vais t'envoyer l'argent. De temps en temps ici, On va gagner bénéfice fort. Gagner bénéfice fort. Fort, yeah. L'argent, toujours c'est l'argent. L'argent, c'est tout. Money. Money. <laughs> ah. What are we waiting for? Let's go to Benin. Let's go to Benin. Benin! Ah, let's go. it's money. It's money. Ah, money, money, money. Money, <laughs> money. money. Vassal. Vassaru. Vassal. Oh, my love, why, you come back late? Eh? See the time. Eh? I'm sorry. Oh. Meeting up or meeting. Oh, I'm so busy today. But everything is okay now. Hey, I have a good news for you. Good news? Yeah, yeah. Go on. Um, I've transferred the 300,000 euro to the account you give to me. 300,000 in my account? Yeah, 300,000 euro. Euros? Yeah, I've sent it to your account. Said through? Yeah. You are my darling. Ooh. to you yesterday. Okay, good. <laughs> Don't worry. As long as I meet, I see the bank, mm -hmm. I'm I'm happy. Yeah. So far, I see Benin. I see opportunity for me here. Okay. So I'm very happy to come to Benin. Ah. Uh, How do you see Cotonou? My Cotonou. Uh, eh, see, that place is fine. Ah, it's very ah. fine. I said one here now. What is this? Cotonou is, is like London. <laughs> good, good, good, good. <laughs> very, very good. rajà bọ̀ ìyàlẹ́nu ni yóò jẹ́ fún wa nígbà tí a dé inú àkáǹtì yìí ẹ gba owó tó pọ̀ tó yẹn jáde ó fa fifty million naira ìdẹ̀sùn wọn kan fún wa ẹ yà alájà. accountant ṣe bẹ́ẹ̀ mi lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún èmi mo dẹ̀ lówó mi èmi mo dẹ̀ withdraw ẹ̀ láti fi ṣe business tó ń mi mí ṣe tó máa mú ìlọ́po ìlọ́po owó wọlé fún mi so kò sọ̀rọ̀ nù yẹn mẹ́nu kúrò mbẹ̀ kí ni nǹkan tó tún fẹ́ bá mi sọ. kèé ó ti ń bọ the next message àwọn ẹgbẹ́ ilépo amúwèé wa wọn ní meeting wa níjọ sáàdì. ok ok máa lọ o ṣe gan ó dàbọ̀ thank you. Okay. Yes. kí ló dé tó láìkì Bazaru nù. mọ́mí mo ti sọ fún yín several times mo ní mi láìkì ọkọ̀ Bazaru. my dear ó mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wo bó ṣe ń kọ ẹ ní French yẹn ó dáa ṣé o mọ̀ pé wọ́n ti pọn dandan ẹ̀ ń sìn ní school wípé anybody tó bá ti fẹ́ wọ SS1 ó gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa French. mo ti sọ fún yín pé tẹ bá fẹ́ kí n gbọ́ French ẹ gbé mi sí French school but mi like Uncle Bazaru. oh my dear má ṣe yẹn má ṣe yẹn like. mon corps est inondé. J'ai mal au corps. On tombe à faire non fait la yéni. Messieurs, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Tchekou, un arabo-nigérien qui ne comprend pas français, mais avec l'aide de l'interprète, tout ira bien. Nous avons aussi parmi nous Bazarou, un autre arabo-nigérien qui ne comprend non plus français, mais l'interprète se chargera de régler le reste. Alors, Maître Tchekou est Bazarou, euh, nous attendons notre actionnaire principal d'origine française qui ne tardera pas à venir. Mesdames et messieurs, veuillez excuser ce petit retard. D'abord, bonjour. Bonjour. J'ai été retenu dans un embouteillage. Je crois que maintenant la séance peut commencer comme je l'annonçais, c'est M. Laurent Leblanc qui était l'actionnaire principal de la banque. Alors, M. Leblanc, Maître Tchegoum et Bazarou sont aujourd'hui deux actionnaires qui totalisent 55% des actions de la banque. Par cet acte, ils deviennent les actionnaires majoritaires de la banque. Alors, euh, je voudrais demander à M. Tchegou s'il a quelque chose à dire. <coughs> Um, ladies and gentlemen, thank you very much for the confidence you have for me and my humble friend, Basaro. I must say thank you very much. Without you, I won't be here. And then, um, ladies and gentlemen, I need your cooperation to make this bank a good bank, to make this bank a great bank. Then I must say also that um, we are going to change the brand that's the name of the bank, People's Bank, to SB Bank. Thank you very much. assistance au cocktail qui nous attend à côté. you, this is your country Why you're not speaking French. French. I want not to speak French here, okay? Let's go, let's go. kí ló dé ohun ẹ̀ mà kọ́rẹ́ ọwọ́. lórí ọ̀rọ̀ bàbá ìmà ní oṣù kẹta màrè tó ti pè mí ẹ bá sáré náà gbogbo nọ́mbà tó sì fún mi pátá ni mo ti pè. kò má sí ìtòlọ́nù ẹ̀ òun wò sí pè mí <laughs> ṣé ọ̀rọ̀ yóò ní kò ní kò tí mú ti oníjìbìtì lọ́wọ́ báyìí. ọ̀rẹ́ mi kò máa ń ṣọ̀rọ̀ ẹkún a máa lọ bá àwọn ọlọ́pàá ni àwọn ọlọ́pàá ló máa ràn wá lọ́wọ́ lérí ọ̀rọ̀ yìí. àwọn ọlọ́pàá olóhùn á máa fáwọn ọlọ́pàá náà ṣe o ọ̀rẹ́ mi àmì àmì òkè òkè àwọn ọ̀rẹ́ mi ò ṣe. ọ̀rẹ́ mi máa sunkún mọ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹkún lélẹ̀ ìṣògbọ́ ó sì mú ń bọ̀ ṣògbọ́ àá wá wò ẹ́. Okay. àyọmí o àtọwọ́ àtara bàṣáàrù ó ga o. Hmm. mọ́mí mi mo dẹ̀ ń sọ fún yín mo ní ìwà ọkùnrin bázárù yìí ó jọ ìwà orí jìbìtì ìgbà tẹni dandan ìlà ìkànnì bázárù kí ló ti ṣe é lójú ẹ̀ ní torí ti ẹni mi ò ṣe pè ní ilé ó lè tún tracy ní dẹ́kun. olúwa àwọn kó bá mi mú gbogbo omi tó bá wà ni mo máa wá. ṣe gan ehm, láti Gàrìkí police station ni a ti wá welcome ibẹ̀ náà ti ní kàṣáwà báyìí orúkọ tèmi ni alájà ṣadé fọlá ṣadé àríkẹ́ hmm. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín ni ẹ má bínú sá o ẹ jọ ṣé fáìlì mi ti débí. ẹ̀yin ni alájà fọlá ṣadé èmi ni fáìlì ti débí láti ibìjọ mẹ́ta ó wà lókè lọ́dọ̀ ọ̀gá. ó wà lókè lọ́dọ̀ ọ̀gá. bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́ mọ̀ ṣe wa lọ́wọ́ àwọn oníkan àwọn oníjìbìtì orílẹ̀-èdè yìí o. àmì o bọ́lọ̀ ṣe gbà wá lọ́wọ́ amáde torílẹ̀-èdè bẹ̀rẹ̀ gbà kan. ọlọ́run ló tún sáré wá máa kú lẹ́nu iṣẹ́ yìí iṣẹ́ mọ̀ ti bọ́ lọ́wọ́ wa tán. ẹ jọ ọ̀gá náà ńkọ́ ṣá lè rí wọn. ẹ lè rí wọn ṣùgbọ́n àlejò ń bọ̀ àlejò wà lọ́dọ̀ wọn kẹ́ ṣe ìṣòro díẹ̀ ẹ jẹ́ sáré yọjú sí wọn ó sì take ọmọkùnrin tó lóun bá sáró yẹn. kọmọsẹ́ni tí ọ̀kan gbogbo ìgbà ni president máa ń pè mí gan lórí ọ̀rọ̀ yìí ojoojúmọ́ lọ́sàn-án lóru ni. àbí ká máa dúpẹ́ fọlọ́wọ́n ọba o. ká máa dúpẹ́ ká sì máa bẹ lọ́wọ́n ọba o gbóni táwọn ní bára máa kọ ni wọn ní àkóbá àdábá ọlọ́mọdé àdé pàtàkì àdúrà ni pàtàkì ni báńkì àwọn èèyàn wa nílé ó dàbọ̀ <laughs> ah, àkóbá àdábá ọlọ́mọdé àdé. máa fi ojú ẹ̀ dán. mi ní sùúrù. ṣége rin. kátẹ̀ wàá gbàgbé gbogbo yẹn ṣùgbọ́n pórí lóko mi yọ ṣá tó bá lọ jẹ́ mi ní ń kọ́ ṣùgbọ́n pé mi ò mọ̀rọ̀ sọ mi ò lẹ́mi wàhálà. Ah! ó ní màá tì í ọlọ́run ṣé mo dúpẹ́ orí mi o. ẹlẹ́dàá gbogbo wa ò ní gbàgbọ́dé. aláwọ̀ máa mí ni. ajámọ̀dínú dàbí pé o mọ̀ mí mọ́. wẹ́rọ sá. Hmm, how are you? Ah, madam sade tán fi fáìlì wọn ránṣẹ́ láti gàkè police station wọn ti dé sàlẹ̀ sá. Ah, d'accord. Ok. Pé mo ní káwọn gbọ́ Ok, thank you, sir. Okay. Ta ni Alájà Ṣadé nínú ọmọ yìí méjèèjì? Èmi ni Alájà Ṣadé sà. Ẹ̀yin ni Alájà Ṣadé? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin àti ọ̀gbẹ́ni Básárù tí wàhálà ìfẹ́ pọ̀ tó báyìí? Hmm. Ẹ ṣe gan ni sà. Ṣé rí èmi tẹ̀ ń wo yìí? Mi ò kì í fi gbá kan nù o kódà ọ̀rẹ́ mi mọ̀ dáadáa ṣe rí ọ̀rọ̀ èmi àti Básárù tẹ́ ń sọ yìí níjọ́ kan mò ń bọ̀ látàbíjàn plane wa dẹ̀ dúró ní Kútọ̀nù Básárù wọlé sínú plane ẹ̀gbẹ́ mi gangan ló jókòó sí ẹ̀sà ńṣe lọmọkùnrin yìí ń bá mi sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí èèyàn láti bẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ èmi àti ẹ̀ sì wò Básárù kó wálé mi ó ń bá mi gbé gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó even mo ní lọ́kàn pé mo fẹ́ ràn lọ sí mẹ́ka ńgbà yẹn lẹ́yìn ọdún kan tá a ti jọ ń gbé pọ̀ pásárù mọ̀ wípé iṣẹ́ epo ni mò ń ṣe ó dẹ̀ introduce òwe epo sí mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ ìlọsíwájú fún yàn mo dẹ̀ gbà mo lọ sí bank straight mo dẹ̀ lọ withdraw three hundred thousand euro fún ọmọkùnrin yìí three hundred thousand euro. bẹ́ẹ̀ni sà mo tiẹ̀ fẹ́ dá sí ọ̀rẹ́ mi ló mà ní kí n má dá sí ọlọ́run ló mà kó mi yọ. bẹ́ẹ̀ni o mo kọ fọ́rẹ́ mi pé kó má wọrí àtìgbà táwa ń sọ yìí mi ò rí bá sáré o. n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ibi tí ẹ sọ̀rọ̀ dé àti ibi tẹ́ ẹ sọ dé gbogbo ẹ̀ náà ni ó ti yé mi ní ọ̀dọ̀ tiwa níbí àti gbé ìgbésẹ̀ lóríṣiríṣi àwọn ọlọ́pàá kan bẹ àwọn ọlọ́pàá àgbáyé tá à ń pè ní Interpol àwọn torílẹ̀-èdè Benin ní Kútọ́nù lọ́hùn àti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sí wọ́n yìí ti ṣèlérí fún mi pé àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ lé lórí lágbára Ọlọ́run ọba láìpẹ́ láì jìnnà dídùn lọ́sàn-án sọ ọlọ́wọ́ sí àpàyọ owó náà ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ ṣeun mi kí gbogbo lé ọlọ́wọ́ sàpàyọ rẹ̀ ẹsẹ̀ alájà màdínà ẹsẹ̀ ọlọ́jẹ̀ ká mara dáadáa ó dàbọ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ ó dàbọ̀ tí inú ò ní Allô C'est un monsieur comme ça là Oui, oui, oui, oui c'est directeur de l'Interpol Nigérian. Nigerian Interpol. Ah, <laughs> directeur. uh, <laughs> oh, how was it Ah bon Tu parles bien français maintenant <laughs> C'est bon, c'est bon. Ah, monsieur comme ça, pardon, les affaires, monsieur. Ça s'appelle comment Monsieur Bassaroula. Hein. Qu'est-ce a fait maintenant oui, oui, oui, ne t'en fais pas. Mais c'est qui sont à pied d'œuvre. D'accord, d'accord. Mais c'est comme ça. Pardon, on va faire tout possible. Tu reconnais, 300 000 euros, c'est pas petit l'argent. On va faire tout possible pour régler le problème là, pardon. Tu as compris 300 000 euros, c'est vrai, ce n'est pas petit. Mais on va faire ça. Ok, merci beaucoup. Différent, d'accord, d'accord. Merci, merci. D'accord. Ok. Bon, bye bye. Regardez bien, inspecteur. La même personne, je crois. Oui, c'est la même personne. Cette personne-là qui se présente aujourd'hui sous l'identité de Monsieur Bazarou, c'est Oncle Bazar. Il m'a proposé une affaire ça portait sur euh, un achat de pétrole brut aux rebelles de Bakassi, au Nigeria. J'ai versé 120 millions sur un compte, sur les 250 de l'affaire. Et puis, plus rien. Alors je téléphone et euh, on me dit qu'il est mort. Je viens présenter mes condoléances à la famille et je suis sûr que la famille est dans le coup. Alors, aujourd'hui, comme par hasard, il se représente avec un associé arabo-nigérian pour racheter une banque dont je suis le principal actionnaire. Dis donc, vous voulez dire que vous auriez monté une affaire avec lui il y a un an sur 120 millions d'achats de pétrole et après, plus rien. Il, il serait mort, vous êtes même venu présenter des condoléances et voilà que vous le retrouvez aujourd'hui sur une autre affaire d'achat de banque. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là Absolument. Avez-vous réussi à localiser là où il habite Oui, j'ai noté le nom de l'hôtel ici derrière, Hôtel Aïoué. Oui. Hôtel Aïoué. Hôtel Aïoué. Ok. Monsieur, tranquillisez-vous, nous nous en cherchons. La police d'aujourd'hui mène la vie dure aux fraudeurs. Nous allons vous en tenir informés. Monter les affaires à distance comprend des risques. D'accord Je peux accompagne. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le commissaire, mhm. euh, nous venons de, de recevoir un expatrié mhm. qui, nous fait, qui nous a fait part d'une situation euh, qui durait depuis un an. Ce monsieur qui l'aurait raconté il y a un an, qui s'appellerait Bazar, Bazar, devait lui faire des achats de pétrole pour une valeur de 120 millions de francs CFA à Bakassi. Et depuis un an, il ne retrouve plus les traces de ce monsieur. Mhm. Et ce matin, dans les accords de signature d'une nouvelle banque, il dit l'avoir rencontré sous cette forme-là. Et qui se prénomme Baz. Bazarou. Bazarou. là. Bazar ici, Bazarou là. Et il paraîtrait qu'il y a un an, sa famille avait déclaré qu'il était décédé. Oui. Et Monsieur Leblanc a même assisté à ses funérailles. À ses funérailles. Mais c'est la même personne, mais vous autres, vous n'avez rien remarqué Également, on remarque. Hmm? c'est la même personne. C'est la même personne. Mm-hmm. Les deux photos se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais c'est pas tout. C'est la même personne dont la photo a été envoyée par l'Interpol nigérien. C'est Vous avez pu le localiser Il dit l'avoir euh, l'avoir à Qu'est-ce qu'il a dit Il paraîtrait qu'il loge dans, dans l'hôtel Aïhoué. Aïhoué, voilà, Dans un hôtel qui s'appelait Aïhoué. Mais qu'attendez-vous Allez, partez. Allez-y. À vos autres commissaires. Vraiment, moi je suis fatiguée de venir dormir à l'hôtel chaque jour. Hein? Le problème est fini, reviens à la maison. Chérie, je te laisse. Tu ne peux être fatigué. Je veux acheter une maison. Mais ce serait pas cher. Oh, la revive, euh, c'est pas cher. Ah bon Mais, oh, je l'ai. Ok, très eh bien. De quoi tu t'inquiètes <laughs> Il n'y a pas de problème. Voilà. semble que ce monsieur Leblanc là, il n'a pas assez d'informations sur son fantôme de bazar ou bazar là. Hein. Oui. Ok, terminé. Remettez tout partir s'il vous plaît. Mais, monsieur Hakim, pourquoi vous partez plutôt que lui Non, j'ai une urgence, s'il vous plaît. Jamaica de Tang. Akim, Bazar, o Bazaru. É, é, é, amor, é, é, é, é, é, fait <laughs> C'est à cause de Yadio que vous êtes dans cet état. Hein, maman Vous avez oublié ici que Yadio est parti à Parako avec une fille pendant des jours. Hein Il est parti sans crier gare. En ce temps-là, il m'a téléphoné. Maman, maman, <laughs> en tout cas, venez manger. Ne missez, double blé blé blé blé. Mais c'est votre fils Yadjo. c'est encore lui, maman. Tu oublies que l'enfant, c'est l'enfant. Eh, même s'il est gâté, c'est mon enfant, Yadjo. Maman, Yadjo est parti hier seulement. Bon, il te soucie, mais c'est vous-même. Si Yadjo continue, eh, continue de faire ses désordres, c'est à cause de vous-même, maman. Mais là, on l'endroit dit papa. Eh. Et si j'ai dit que dit papa, est-ce que je lui ai dit que papa, papa, papa est voyou? Hein? Je n'ai pas dit que papa est voyou. Il m'a donné de baba, baba, ton vous est bandit, ouais. Pour vite en finir. On fait des visites. Non, madame, nous. Attendez. Tu ne veux donc pas parler Hein Tu ne veux pas parler Oui, je parle, non peut parler en Est-ce une oscillation dire. Ah Oh, mais que tu parles, Tu as intérêt à dire la vérité. Sinon. Attendez. Tu nous prends pour des cons Hein

la température. D'accord, Et apportez-moi le piment. D'accord. <laughs> Qui nous à toi, oh. Il rira bien, qui rira le dernier. bazar ou de ton frère de bazar. Eh, eh. Quel hôtel Non, non, il... hôtel. Quel hôtel Hôtel Il a dit hôtel, Jono Jono est hôtel à Lejo. Ah. Ah. oui, oui. Il n'est plus à Fréquence. Eh, il est où il est où là Il est où là ah. Il est où Il est au bénéfice. Mais où Où Il est où À l'hôtel, à l'hôtel. Dans quel hôtel Jono là, Jono. Ok. Hôtel à Lejo, bien. Hein? hôtel àlejò ou bien Jono náà. Ah, et eh, Jono, deux hôtels. où et où. Jono à àlejò. où et où. il vit sous quel nom. Hein? Il vit. Il vit. Il s'appelle comment encore, ah, ah, Il a trois noms. Vas-y. Attendez, je vais respirer. Akim mon Bazaro. Eh, eh, c'est, c'est, Maintenant, lâchez-le. Il vient de lâcher. Bon, Amenez-les dans sa cellule. Vous autres, venez avec. Je comme ça avec cette beauté-là Je cherche au fait une copine, mais je ne la trouve pas. Une copine oh. je, peux vous aider, je suis disponible. Mais bien sûr, c'est gentil. Mais <laughs> eh, dis donc. <laughs> oh là là. Alors, on y va D'accord. Aïcha, je peux vous toucher, hein Pas de problème. Mais comment tu me vois, <laughs> Je trouve que vous êtes très intéressant. Et bon, et bon. Je parle de ma beauté, quoi. Hmm. Oh, oh, oh, Aïcha. Dis donc, Aïcha, Thompson. Mon commissaire. Avez-vous les nouvelles de l'inspecteur Aïcha Mon commissaire, tout va comme prévu. <laughs> Il a mordu à l'hameçon. Très bien. Et même ce soir, l'inspecteur Aïcha dort avec lui à l'hôtel. Et très tôt demain matin, nous débarquons avec les hommes et l'oiseau sera dans la cage. Très bien. Dès que vous aurez achevé l'opération, allumez tous les portables de Yadjo et mettez-le en contact avec sa famille. Compris. Compris Allez, c'est parti. C'est parti. Mais Dis-moi exactement. Oui. Qu'est-ce que tu fais vraiment, réellement au Nigeria au Nigeria, j'ai des affaires là-bas, j'ai des sociétés. Et c'est moi seul qui fais le pétrole euh, au Nigeria. Et tu as une famille ici mmh. au Nigeria Non, je n'ai pas de famille. Ah bon Non. Peut-être que c'est toi qui vas m'aider à, fonder cette famille. <laughs> beautiful. You know that. You're very beautiful. Thank you. Thank me? Yeah. Mm <laughs> well, I want you to meet one my good friend. I'll call him. Okay. <laughs> tu n'as même pas une sœur hmm. Sœur euh, Non, je n'ai pas de parents ici. Je t'en prie, tu me suis. Bien sûr. Mmh. c'est mon associé, le Nigérien. Ah. Ouais. ¿Eh? Il est danseur. Eh. Hello. Basaru, Basaru, come, come. Ah, I want to show you. I did for heaven. Ah, come, come and see my wife. You are here? In hotel? With your wife? Oh, Ṣẹ́gun. Ah, come, come, now, now, now, before I, before I die, come, come, come. Mm. Mm. mm. <laughs> Tu m'excuses. Euh, je vais le voir vite euh, dans sa chambre. D'accord, c'est quelle chambre Il est dans la chambre qui est juste à côté de moi. D'accord. Ok Allez, à tout à l'heure. Vraiment J'ai de la peine à te laisser. <laughs> Reviens vite. Hein? Oui, je vais, je vais vite, Je viens, hein, chérie. Bien sûr. Hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais-moi un bisou point avant que je parle.. Oui, Thompson C'est lui. Bien sûr. Et il m'a rassuré qu'il est avec un associé ici. Oui, dans l'hôtel. Vous pouvez venir. À tout à l'heure. monsieur. Vous allez bien Oui, que puis-je pour vous Voilà, euh, je recherche un monsieur répondant au nom de Hakim dans votre hôtel ici. Hakim hmm, Il n'y a personne qui répond au nom d'Hakim ici. Êtes-vous sûr N'appelez personne. Inspecteur Thompson, vous allez me conduire directement à ce monsieur, s'il vous plaît. Aisha. Yes. My good. <laughs> How are you? Okay. Yeah? You shake. Mm. Yeah? You see? No, not for you. Why? She's for me. are friends. <laughs> no, no, don't do that. Okay, okay, okay. Personne rouge. Oui. Hakim, hmm. Bazar, vous êtes accusé d'escroquerie d'âme. Alain Chadé de 300 000 euros et de M. Leblanc de 120 millions de francs CFA. Vous êtes en état d'arrestation. Moi Moi Vous pouvez prendre un avocat. Ouais, ouais, ouais Hé Ne bougez pas Aïcha Toi aussi Messieurs, Mesdemoiselles et Mesdames, bonsoir et merci d'avoir répondu comme d'accoutumé à cet autre rendez-vous de 20h dont voici le sommaire. Activité du chef de l'État, le président de la République s'est rendu ce matin dans les principales villes de notre pays pour y constater l'évolution des grands travaux, notamment la construction des échangeurs qui feront de notre capitale l'une des plus modernes. Le feuilleton de l'homme d'Ibiti connaît de nouveaux rebondissements. Après sa capture, car il s'agit bien de capture, l'homme aux plusieurs noms a été extradé ce jour sur insistance du voisin de l'Est. Le ministre des Sports a organisé ce matin une conférence de presse pour assurer et rassurer l'opinion publique sur la forme actuelle de notre 11 nationale qui peut nous ramener la, coupe, euh, la prochaine Coupe du Monde de football et tout a été mis en œuvre pour réussir ce challenge. Une marche suivie de sitting ce matin au ministère du Travail, c'est ce à quoi on a assisté ce matin de la part des centrales syndicales. Leur principale revendication, les congés paternels des nouveaux papas. Voilà les titres et le développement dans quelques instants. Il a réussi à se mettre toutes les polices dans le dos. L'Interpol a passé plusieurs semaines à le rechercher. Il y a quelques jours, il a été arrêté et le feuilleton de l'homme d'Ibiti semblait être bouclé. Mais ce matin, les rumeurs se confirment. Bazar ou Hakim vient d'être extradé vers le grand voisin de l'Est qui le réclamait depuis son arrestation. Le puissant voisin a usé de toutes les pressions pour arriver à ses fins. C'est la menace de fermeture des frontières, comme il en a l'habitude, qui a contraint nos autorités à lui envoyer ce homme d'affaires originaire de notre pays. Alors, je reçois sur ce plateau le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, l'avocat principal de l'accusé pour plus d'éclaircissement à ce sujet. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, depuis ce matin, votre gouvernement a pris une décision des plus controversées. D'aucuns jugent l'extradition de l'homme d'affaires, M. Bazarou, contraire à la Constitution et à la législation en vigueur. Que pouvez-vous répondre à ceux qui disent que vous avez cédé sous la pression de notre voisin qui est en train de confondre notre pays à l'un de ses États Monsieur le journaliste, je vous rappelle que nous sommes indépendants et souverains depuis le 1er août 1960. Et pour en venir au vrai sujet, vous savez que l'extradition de ce délinquant transfrontalier est bel et bien légale. Elle est même conforme aux accords signés entre nos deux États, qui œuvrent tous les jours à mettre hors d'état de nuire ces voyous, ces paresseux qui discréditent notre nation à la recherche de l'argent facile. Pour finir, monsieur le journaliste, je voudrais rassurer mes compatriotes que nous n'avons subi aucune espèce de pression. Nos deux États sont des États amis et qui se respectent assez. Alors, nous avons aussi sur ce plateau Maître Agibade, l'avocat principal de l'accusé. Alors, Maître. Oui, monsieur le journaliste. Quelle est votre réaction Je vous remercie, monsieur le journaliste, que vous m'offrez cette occasion singulière de sauver notre Constitution, car en fait c'est de cela qu'il s'agit. J'avoue que je ne me retrouve pas, mais alors pas du tout à travers les arguments de notre garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est triste, c'est inquiétant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et je me demande bien où est-ce que nous allons. Tous les États sont égaux. Mais malheureusement, ce n'est pas cela que nous constatons. Notre voisin de l'Est abuse. Je ne trouve pas meilleur terme, mais prenez-le comme ça. Abuse dangereusement de notre gentillesse. Et il faut avoir le courage de le dire. Traiter mon client de voyou, de délinquant et de tous ces noms n'est pas, selon moi, digne d'une personnalité de votre rang, monsieur le ministre. Mon client est innocent. Et à l'heure où je vous parle, mon client bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mon client est innocent et il sera libéré. Alors, maître Agibade, dites-nous sincèrement quel nom retenir. Bazar Bazarou ou Hakim <laughs> C'est vrai, j'aime beaucoup rire et aujourd'hui vous m'offrez encore une occasion extraordinaire de rire davantage. Nous sommes en direct, vous avez annoncé. Absolument. J'ai bien peur de constater que les gens ne savent même pas qui ils sont en train d'arrêter. Ah comme ils font extraordinairement bien leur travail dans ce pays. Merci, monsieur le journaliste. Peut-être euh, les téléspectateurs ont quand même le droit de savoir. Absolument. L'affaire euh, Djibouti qu'on croyait classée refait surface. Affaire à suivre. c'est ce qu'il a pu dire, ça, avec tout ce que lui a pris comme argent. <laughs> Maman, il faut qu'on ah. prie beaucoup. Il faut qu'on allume beaucoup de bougies, mais ta bougie, bon, quand même, comment ah, Si Senghor a été libéré, c'est parce qu'il n'est pas Djibouti. Hein? Hmm. Euh, donc, euh, il faut qu'on prie beaucoup pour que Bangsa soit aussi libéré. Hmm. Sinon, moi, en tout cas, moi, je vais gérer sa femme pour moi. Hein. je vais gérer sa femme. Et, eh? eh, eh, je vais aussi diriger la banque avec ce. Ben, oui, c'est nous, comment nous nous Voilà qu'il est déjà, il est déjà parti. moi, moi, moi, on m'a trop brutalisé dans ce pays. On m'a mis dans un tonneau tó fi máa dé. Máa wà ìgbẹ́tọ̀ àzí tó fóde tó ẹnu à ń jèrè. Jẹ̀sí ọkọ̀ tẹ ẹ̀rọ fi ìdìbò ìwé mi ṣé wọ́n bí wọ́n fi ọbẹ̀. Buhari mi náà ṣe eré adé ọ̀rá jèrè. Máa rọ̀ náà rọ̀ rọ̀ àgbẹ̀ jèrè ni o. Yóò sì lápò fún un. Bẹ́ẹ̀ wọlé sínú kúmẹ́nu mi. Ah,